Il est l'heure. On tourne la page. Pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024 auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habiba Ahmed et à mes côtés, je Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou, comment vas-tu ce matin Je me porte en merveille Habiba, quel est le menu du jour Pour ce dernier numéro de la semaine, d'abord le flush d'information, suivi de la revue de la presse, le chrono le et sport. Et ce n'est pas fini, chers auditeurs, nous suivrons également un entretien avec Madame Salou Jika, femme leader de elle milite pour les droits des femmes et aujourd'hui avec elle, nous évoquons le mariage appelé Armanjari en langue Hausa. Le Niger sur Kalangu, c'est aussi de la musique nigérienne. Chers auditeurs, installez-vous confortablement pour savourer ce moment. Amis auditeurs, voici le flash présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Habiba, bonjour Salamatou. Le flash d'information à présent attendu jeudi à Niamey pour engager les négociations avec les autorités nigériennes. La délégation des médiateurs de la CDAO n'est finalement pas arrivée au complet à Niamey. Selon euh, seul le chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Doucet, a fait le déplacement. Son homologue Syria lyonnais mandaté par l'organisation communautaire pour participer au pourparlers, était absent. Dans un point de presse animé hier, le Premier ministre a catégoriquement réfuté le prétexte avancé pour justifier l'absence des autres membres de la délégation. Selon elle, les autorités nigériennes n'ont pas délivré les autorisations de vol et d'atterrissage nécessaires à la venue de l'équipe des médiateurs. Les forces de défense et de sécurité euh, du département de bernin région de Tawa, ont neutralisé hier deux présumés bandits armés. Elles ont récupéré une arme de type AK-47 avec 20 cartouches, euh, deux motos ainsi que des troupeaux d'animaux volés le même jour dans le village de Giko euh, situé dans la commune rurale de Bazaga. Selon le préfet capitaine Boubakar Alichina. Trois arrestations ont été également opérées impliquant une personne âgée et deux enfants. Elles sont entre les mains des FDS pour nécessité d'enquête. Le gouvernement suspend l'octroi de nouveaux droits miniers jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite à la récente saisie à l'aéroport d'Addis Abeba des longos d'or non déclarés d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Cette suspension temporaire des nouveaux permis doit permettre de faire le point sur les droits miniers déjà accordés et de lutter contre le trafic est à des ressources minières du pays. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 26 janvier 2024. Merci Mokhtar pour toutes ces informations. Chers auditeurs, je l'avais annoncé il y a quelques instants. L'entretien du jour nous amène à Tessawa, région de Maradi. Madame Rekia Jika nous édifiera sur un mariage de commerce communément appelé Armenjari à Hausa. Mais avant d'en arriver là, écoutons ensemble notre première musique. Il s'agit de Fiaxi qui nous chante Hausa Choco. C'est parti. c'est ah Niger sera la canne sans qualification. Sinon, Garba pimenté, vous allez manger ça chez qui Chez qui Choukouya pimenté, vous allez manger ça chez qui même Aousa Choco. Choukouya Choco, Garba Choco. Chez nous les Aoussa Choco. Choc, choc, choc. Le Niger sera la canne sans qualification. Sinon, Garba pimenté, vous allez manger ça chez qui Chez qui Choukouya pimenté, vous allez manger ça On était là, c'est pas pendant qu'on sera pas là. Qui est mieux placé que le house à l'hospitalité de Babine On connaît ça, on vit dans ça, on est dedans. Même si nous met dans attachement que le Niger n'a pas talent. Tout ça c'est avant Fiaxi et la maintenant. Tout ça c'est avant Fiaxi casse tout maintenant. Hein. On va célébrer l'Afrique à balle shaker. Choukouya, pimenté, vous allez manger ça chez qui même. Aoussa Choco. Choupia Choco, Barba Choco. Chez nous les Aoussa Choco. Chaud, chaud, chaud. Aoussa Choco. Choupia Choco, Barba Choco. Chez nous les Aoussa Choco. Chaud, chaud, chaud. Aoussa Choco. Choupia Choco, Barba Choco. Fiaxi est un compositeur et interprète. Il évolue dans l'afro-pop et afrobeat, bien connu du public nigérien. Dans ce titre, l'artiste Fiaxi répond à ceux qui pensent que le Niger sera invisible à la Cannes Coupe d'Ivoire. Côte d'Ivoire 2024 du fait de son élimination de la compétition continentale. Il affirme que malgré tout, les couleurs du pays seront belles et bien représentées grâce à la présence massive de Nigériens résidant en Côte d'Ivoire. sinon carbat pimenté, vous allez manger ça chez qui Choukouya pimenté, vous allez manger ça chez qui même Choco, Choco, Garba Choco, la, la et que tu n'as pas mangé Garba chez Chers auditeurs, c'était Hausa Choco de l'artiste Fiaxi. Passons à l'entretien du jour. Oui, Salamatou. Dans la première partie, Madame Salao Rekiajika explique le comment se fait le mariage jari. Elle revient également sur les communautés qui les pratiquent. Selon elle, certains hommes à Tessawa font ce mariage dans le seul but d'en recevoir plus avec la famille de la jeune mariée. Suivez cet entretien réalisé par Habiba Ahmed lors d'un reportage de la rejoint On écoute. a nan gare mu ne aka shi an aka kai amarya aka aje ta yau da dare misali da sahiya ta yi uwayenta ta amarya su biyo da kuɗi a kama angu gara abinci gara da iri-iri amma dai kuɗi su ne gaba su za a fara kawowa wannan in ba kaso ba lahiya ya ne ake yin shi kudi nawa ne ake kawo ya ne ake ga karkar tamu ya an ka tashi arme kana riƙon yarinya kenan lokacin da ka ga yarinya ka yi duwatan ta kace kana santa ka kawo mata hidima kana kashe mata kuɗi kana mata yan sayo wannan sayo wannan sayo wannan kuɗin cin kasuwa kana bata kana takarda ka kana rubutawa ka san abin da ka kashe mata har aka a ce a huddo ka kawo kaya ka kawo kuɗin armi duka dukiya armi misali inda saraki ciki a ce saraki ciki in saraki waje saraki waje abin da nake da sadaki wajen kenan cikin kuɗin da kakka inda kuɗin sadaki ciki za a cato da sadaki ciki ba a neman sadaki raɗar ma'arme in kuma sadaki waje sai a ci sai raɗar ma'arme mu dawo ya ka ka na kuɗi aka lissa sai kai dai mai duka kasa san abin da ka sai a samu kurana arme ya ka samu kurana arme kun kawo kayan salalle kuma daban da da sai a zo a yi arme biki muke cewa mu nan tasawa to ya an kai bikin nan an kare komi in yi hidima yanzu da milice na yi sai uban diya sai shi to ce ba uwa ko dangin uwa ko kuma su dangin uwa sai a zo a ce to kawo naki ni ne kawo naki kawo kuɗin da zaki kawo mu ga dama man hito misali in ɗari hudu zai kai ma amarya sai ce mu ga abin da man ka hito da shi shi na iya su hito ɗari biyu yana hito ɗari biyu da hamsin yana hito don ɗari da hamsin uba ya ƙarfin ɗari da hamsin in ɗari hudu za a kai ɗan misali ɗauka ita ma sai ta ɗauko ranta ta kawo sai a gama ga su nan a kwatsa a kwatsa su asuba da an hito daga sallar masallaci an ce assalamu alaikum an hito daga masallaci kunan gidan uwayen da da ma ko hada ma uwayen shi ma'ana yannan uwa yannan uba suna nan da suna jiran ku su kuma wa'ancan su ma uwaye na amarya sai su ɗauko wa'annan kuɗi sai su sallamo su zo su kawo muku ga abin da amarya ta ba ango to angon nan idan an ka bashi wa'annan kuɗi tun daga nan ma ko uwar shi sirtu uwa ko uwa ko uba an yi lissahi sai ka gashin kuɗin nan sun biya shi ko ba su biya shi ba shin ya ci riba ko ba ci riba ba kina abun riba ce eh da kai don ka ci riba su a gare su don ka ci riba in kai lissahi kada jira a ka ka ɗari biyar an ka ka ɗari biyu a baka ci riba ba ka faɗi in kana son a ka ka miliyan a ka ka ɗari biyar ka faɗi to amarya ko ta shiga uku kin gane ko bijin ta shiga uku to ba za ta jin daɗi ba ga uwa ba za ta jin daɗi ba ga miji ba za ta jin daɗi ba ga dangin miji don uba uwaye ma maza su don biki kawo kudin ma su da sauki ba matsala kwarai to ku fada mana yanzu wace al'umma take yin sha'ar menga ko wace al'umma tana yin shi anan to mu yanzu a nan wajen namu ai duka gaba ɗaya sai mu ce mu nan hausawa namu kenan duka al'adunmu sun zama gaba ɗaya sai ɗaya ɗaya ɗaya akwai hulani a kewaye ban san al'adun su hulani ba yanda suke amma mu dai na a hausance nan cikin garin tasawa da kewaye gaskiya duk wanda ya maɗe shi biki sai ya kai wa'annan kuɗi amma yanzu akwai addinin wanga da ya shigo kwarai ma wasu samari suna ca su ka a kai musu kuɗi suka su ba don a kai musu ba amma mu uwayen uwayen mace sai mu ce kan mu ja mu mali ne in ba mu kai kuɗi bire na ta za'a menene amfanin armen jari hmm, yata armen jari ni ban ce ba ga amfanin shi tun da ne amfanin shi wai kai ka kashe kuɗi da ka nemi armi da ka kawo ko cikin addini musulunci cikin alkur'ani an gane shi ka kawo gida abu ka nemi yarinya ko kai mata hidima a kai maka ko tulba ta za a baka ta ba sarka ba kuma kai ka ce sai an ba kuɗi wa an ga kuɗi mun tar da su uwaye da kakanni ana ba da su kuma manya suna ta hada ba su ba da wannan kuɗin an yi farfaganda an yi mi an yi mi ba a bari sarki in ka magana ce kai ka aiwa min ɗiya sai na kai ni ban ga amfanin shi ba amfanin shi kawai a soke armen jari saboda me yace a soke armen jari saboda in na dibi rayuwar ɗiya mace uwayenki su kashe ke dukiya su yi kayan ɗaki bayan kayan ɗakin ga yanzu kuma sai a ce kuma sai an biyo ki da kuɗi ɗari ɗari biyu ɗari da hamsin ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar nan cikin dangaren namu har mai miliyan an kai ƙwarai kuwa uban yariyar ma shi ke bugun gaba cewa shi miliyan zai kai ma ɗaya ta in ya mata armi kuma ya kai tabbas ba ƙarya ba karamin jari gaskiya bai da amfani ko ɗaya in ka ɗauko aka ɗauko a addininmu na musulunci abin da Allah ya ce ai ai shi ne aka ce ai ko to kai kuma ka ce a mai da maka kuɗin ka yo ina shi bai da amfani Chers auditeurs, avant de poursuivre notre entretien, nous allons passer à la revue de la presse présentée aujourd'hui par Mukhtar Hamadou. Bonjour, Mokhtar. bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Habiba. Bonjour Salamatou. Alors, négociation Niger-CDAO. Le Premier ministre regrette l'absence de la délégation de la CDAO, titre à la une l'hebdomadaire les Sahel du dans sa apparition de ce matin. Oui, Habiba, en effet, c'est le 25 janvier que tu attendu une délégation de la CDAO pour des négociations devant aboutir à la levée des sanctions. Dans un point de presse animé hier après-midi par le Premier ministre, Ali Mohamed Laminzen a déploré, et je cite, l'absence de la CDAO au moment où une partie est déjà autour de la table des négociations, en l'occurrence le, ministre des Affaires étrangères de la République du Togo. Selon le chef du gouvernement, le Niger avait suggéré que ces négociations se tiennent le 25 janvier 2024 plutôt que le 10 janvier initialement prévu pour des raisons impératives. Une première date a été maintenue le 12 janvier, mais ce n'était pas possible pour eux de se déplacer à Niamey, d'où le maintien du 25 janvier d'un commun accord, ajoute-t-il. Le Premier ministre a d'ajouter, et je cite, pour justifier cette absence flagrante à la table de négociation, la CDAO a avancé dans un premier temps n'avoir pas reçu l'autorisation de survol et d'atterrissage sur le territoire nigérien, un prétexte pas fondé. Fin de citation. Pour rappel, la CDAO avait infligé des sanctions après le coup d'État du 26 juillet 2023. Mokhtar, affaire d'or de l'aéroport de Niamey. Une enquête ouverte et les investigations se poursuivent selon le ministre de la Justice, nous informe le journal en ligne Actu Niger. Et oui, Salamatou, euh, c'est samedi que le ministre de la Justice, Alio Daouda, a indiqué aux médias publics qu'une enquête a été ouverte et les investigations se poursuivent normalement pour faire toute la lumière sur cette affaire de 1400 kg d'or saisi à l'aéroport d'Addis Abeba en provenance de Niamey. Selon le ministre, dans le cadre de l'enquête, les limiers de la PJ vont travailler en étroite collaboration avec euh, le réseau Interpol, la police internationale, afin de s'assurer de la véracité des lingots d'or saisis à l'aéroport d'Addis Abeba pour ensuite enclencher la procédure de leur rapatriement vers le Niger, souligne Actu Niger. Le garde des Sceaux a saisi l'occasion pour rassurer l'opinion que la justice sera par la suite saisie pour que les présumés acteurs impliqués dans ce scandale euh, qui seraient identifiés au cours de l'enquête répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Mortar, les braconniers libyens arrêtés à Jadot ont été libérés, nous apprend Aïr Info. Et eh oui, Habiba, le média libyen, Libyen al Hadat TV, a annoncé mercredi le rapatriement des braconniers à bord d'un jet euh, privé du commandement général. selon le média, cette libération a été obtenue suite à l'intervention directe du commandant libyen des opérations des forces terrestres, le général Saddam Haftar, et en coordination avec les autorités de la République du Niger. Rappelons-le, ces trois braconniers de nationalité libyenne ont été appréhendés le 17 janvier 2024 au soir. C'était dans la commune de Diado par le service de l'environnement de Bilma avec l'appui des jeunes du comité de vigilance chargé de l'environnement et des ressources naturelles. Il a été découvert sur eux une arme à feu de la viande de gazelle. Selon la même source, ces braconniers armés d'armes à feu revêtent des tenues militaires afin de commettre leur massacre sur la faune sauvage du plateau de Diado et du mangani qui souffre depuis plusieurs années d'une forte pression de braconnage exercée sur ces espèces en voie d'extinction, telles que la gazelle, le mouflon à machette, etc. Et c'est tout pour pour la revue de la presse de ce vendredi 26 janvier 2024. Merci Mokhtar et bonne journée à vous, chers auditeurs. Avant d'en venir à la seconde partie de l'entretien sur Armin Jari, que précédemment, Madame Jika a expliqué les caractéristiques de ce genre de mariage considéré comme fonds de commerce. Et ici, elle revient sur les conséquences sur la vie de jeunes filles touchées par cette pratique. D'ailleurs, beaucoup en sont victimes. in ba a kai kuɗi ba abin da zai biyo baya yariya ba ta samun yalwanta cikin gida ya biyo baya har mai kai ga mutuwa ba shakka kuma wannan rashin da rai jakira an ɗauki tun daga aka kai ki ki aiho ɗaya ki aiho biyu ki aiho uku kullum ana miki gori kullum ana miki gori akwai matsaloli ke biyo baya iri iri dangin miji su miki gori uwa miji ta miki gori almi in ba a kai kuɗi ba mun ga har na kwana uku eh ba a kai kuɗin jari ba yani ana ta mata gori dole anu yake mutuwa mun gana kwana uku mun gana sati daya ba irin kala da babu kenan dai ko da an mika ta ta aihe aihe babu daraja amma shi miji ina eh, san mata haka nan dai a mika amma nan baya ga dangin miji ko ga uwan miji babu daraja saboda ba kai miki kuɗi ba ta dora cewa a to ni dai gidana an kashe kuɗi an kai musu an kai musu al'adu duk mun yi amma korila ba ta baya ba da kin ji uwan miji na cewa korila ba ta baya to ba kirki to shi ta rayuwa shi kuma yaran nan ma ko bai kai ba shi da son yarinyar shi amma fa gaskiya akwai matsala ba a kawo kuɗi ba kawo kun ga yanzu armen jari matsalar shi armenian da nan ya mutu yariya ba ta daraja shin ba ki daraja ga miji ba ki jin daɗi ba ku rayuwa ta kwarai da mijin ki ce irin rawa ce zaki in ya shigo miki cikin gida ta kuntukon shi kuma in ya can gida wurin oshi shi sai a ta gaya mishi magana a da nan ma a ce ka sakarai shiga ta ka nemo wata yarinya kuma ta wani ne ka son kai za a kame shawara ko da bai da niyya amma in an ka kame shi shawara wannan ta yi wani arma ya san ko da me aka ci karshen ta yarin nan su ta rayuwa ta da mishi ba ta da daraja goli ne wani bisa wani kullum ana gura miki har yanzu armen na jari ana yin shiga tesa ko ya rage ko an bar yin shi gaskiya ana yi sai dai in ce miki ya dan rage ya rage amma ana yin shi tun da me zan ce miki ana yin shi mu yanzu ka gare mu nan wurin inda kaka ta yi an kare abinci ya kai ke don sai a fara arme arme birni da ƙauye to duk inda aka shi ma dai an kai kuɗi kenan ana yi amma akwai ɗaiɗai na ce miki masu ta su kama aka musu kuɗi bara na ga inda aka kai kuɗi ko na ga armen da aka aka ce ka aka kai kuɗi kuma na ga inda aka kai kuɗi kenan dai ana yi kawai babu riba to yanzu wane kira gare ku ga mata yan uwanku mata mhm. to ni dai kira na ga yan uwana mata kullum ina yin shi ni dai abin da nake so in ka sallamo yau sarma ya sallamu ya ce hina son yarinya na farko dai uwa da uba ko kai uba ka kwatanta shi ka ce ni na baka diya amma ba ba kuɗi in kana son yarinya kunno ka ne nemi yarinya a makarni kuma mu mata mu ma matsala ce daga gare mu saboda mu muke sa yaro na mana babban hidima ga diya in sallah ta zo sai ki ga kayan bayarin ya hirbar ta kai ta shekka ɗari har ta ɗari daidai ƙarfi wani ta hamsin wanda ashirin in wanda ya ta ashirin kin nan in yana da ƙarfi ya ta ɗari to kin ga daga nan matsala ta taso kenan duk jaran ka ne kake ta kashewa kai kuma kana lissahi yau ta ka miki gobe ta ka miki ikiran shi ko ki ja kunnan ɗaki ban son soyayya kashin kuɗi ce yazo zo kiran yau shi wani kana son wani gari to ka a hankali ku yi arme na soyayya ba arme na kuɗi ba shi ba jahili bane ba ya san abin da ake nufi idan kika ga ya ci gaba bai wasa ba sai ka ce wani ni da za ni ka gaɗiya ɗiya za ni ka. ba za ni ba kuɗi ba in ka da santa ka ci gaba da santa in ba ka santa kuma ka bari kawai ka sa santa to in kika ya ci gaba da yi to yana sa amal yadda nan hisabirin layi ba kuɗi yake so ba ai mun ga wa'anda ya an ka ga masa jayewa suke sarman sai hita sai hijayi wani ya shigo wanda ya shigo ya an kutumta ba yana iyawa ya shiga hi in ba iya kuma ya bari kenan matsala mu da gare mu ce uwaye can aza mu da yake ce sarman da yake kawo wani ko duk wani lokaci uniform kudincin kasuwa kashe ta duka kuɗin shi da yake ɗaukowa na kawowa don me ke uwa ki bi a hankali saboda sai a ci kuɗin da yawa da yawa uba namiji bai sani ba yanzu in uba namiji ya ce ga kuɗin da za a kai wa biki sai ki ce a sun yi kaɗan anan da ki sun yi kaɗan ni dai ga abin da ni a gashi sai gishiri kin san ga abin da kai ke uwa mace kin ci kin ci yaro har ga kai dole a bada kuɗi da yawa amma ina kira gare mu uwaye mata mu sasanta mu yi hankali mu kiyaye C'était une interview avec Madame Rekia Jika sur ce qu'on appelle communément en Hausa Armenjari. Expliquer littéralement sa signification, le commerce de mariage, une pratique de certains hommes dans la région de Maradi pour se procurer de l'argent et autres biens. Chers auditeurs, la suite de l'émission après une courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11 h passées de 24 minutes. Nos salutations à ceux qui nous écoutent actuellement dans la région de Tawa sur les radios Takarkara Bouza et Sarounia Tawa. La rubrique entrepreneuriat d'aujourd'hui nous amène à Madawa pour pour manger du malkou. Justement, c'est l'activité génératrice de revenus des Hajia Manga Mai Malkou. Elle est interrogée par Mariam Adey. Sunana Hajia Manga Mai Malkou, Namada. Muna sayan kanun raguna da na awakai da na bunsula nan ni taka sayan su In zaka ina sayan kai 20, kai 25, kai 30 da ina dauka muna sayan kanu jika biyu ɗari uku uku ɗari biyar biyar daga girman sana mu zo mu ta gida mu babbake mu wanke muna sai da da wahi kuma muna sai da ɗanye ka sai abin ka zo ka dawa shi ba kake ko ɗanyen nawa ne ya ne kama in mun ka gyara ɗanye wanda mun ka sai jika biyu nan muna zuwa mu sai sai ɗari biyar eh wanda mun ka sai ɗari biyar nan muna zuwa mu sai sai jika uku wanda mun ka sai jika uku muna sai da jika uku da rabi eh wanda mun sai ɗari uku muna zuwa mu sai jika biyu hakan gana mu kai kuma in mun ka dawa wanda mun ka ɗari biyar in mun dawa shi jika uku da rabi muka sai da shi da wahe e shi ko wanda an ka sai jika biyu ana sai sai ɗari biyar ɗari biyar da hamsin da wahe dan ni ba wata riba na ka azawa ba ko da dafa ne sai da kun gado shi ne mun gado shi na ga ubana shi an mahauci da uwata da ubana ko da numfalka ni bude ido na naga ana yi to yanzu uwa ni sun rasu kuma ni ta kai kun koyon shekara na dauke aikin kasuwanci to lalle ko da ni bude idanu na da shi ni fara kuma yanzu abin da gare ni shekara 50 ba biyu har sai shi na akai wani irin amfani ko cikin wanga aiki na sai da to lalle an yi amfani ko ba gaskiya ba nan tun duniyar ma na da daɗi kya ga na sai gida na zo makka kuma na yi maɗaya aure yan mata ɗaya don na armashe su ai ko an yi unhwani ko an gode ma Allah. Wani irin matsaloli ne ko fuskanta cin kasuwar da ta sai da To ga yanzu gaskiya fi su ba wata matsala ta muka samu ba dan dai alhamdulillah sai dai da lokaci. Eh yanzu lokaci na da yake sai ka ɗauka ka tahi ka saida kuma kuɗin da ka kashe ba su dawowa ga halin yanzu in ma ka ɗauki sana'a wani bi a saida wani bi ba a saida. amma an yi yayin sai an koma bida yanzu ai ku kuna diya mata kun koya musu aikin suna nan ga yin su ina da diya mata na koya musu amma ba su ne saboda su suna gidajen mazan su ba mai yin shi wadda duk ta yi aure shi kenan ta gama eh can gidanta ba ta yi ne amma nan inda nake duk suna yi kuna da wani kira da kuke so kuma mata ko kuma mata da suke zaune ba su sana'ar komi sa to lalle fi su bi lillahi macin da duk ba ta sana'a an tsere mata magana gaskiya yanzu yare yare ma da azazzamne kyasan arme yanzu bai karko sai da sana'a in kina sana'an nan namiji kamin ki tara mai hannu shi baki kyaye makanki saboda yanzu gaskiya fi su ya kamata yara yan sana'a ko ya kakata ne ka san ka ka cidar da mutuncinka sai ka yi ba ni ba ni kullum tana ma kashe aure amma in kina yan sana'a ko da ta gida ta kina danyi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kya ni kina ɗan yar dala goma na shigo ki yar dala ashirin na shigo ki kina samun ɗan abin sayan sabini ɗan tarawa zuwa biki ka kiran da kina kore ma bakin ki kwara kamin ki ce ma namiji shi baki kyaye ma kanki kuma in ya baki ki ƙara hakan gana zama aure ka tahiya ko yare yare waɗanda ba su ya kamata a zan ɗan kulawa ana ɗan yi mu tsohi mun sani na mu ka'ida na sana'a ita ta an mu Allah an mu sana'a an mu in kaga ka ɗan yi baka hita ba to gobe ma dan sake wata ka dai samu abin da ka tsirar da mutuncin ka dai rashin sana'a ba haraka ta ba baka san sana'a na da daɗi ba ma sai in ka zama na haka san kan dai baka komi kana jiran sai an baka to Allah ba da sa Allah taimake mu Chers auditeurs, avant de poursuivre nos échanges, marquons une pause musicale avec l'artiste Gawan qui nous chante Matata. vais vous raconter une histoire de la fille du Baba, du quartier liberté. On s'aime à la folie, de l'amour à la phobie. Que je veux la marier au roulement de carême. Sans faut c'est le limam, sa maman vient de la mettre. Et moi, le MC du quartier commente à chaque fois la télé. Donc pour eux, je suis délinquant, un délinquant sans diplôme, qui n'a pas d'avenir, un délinquant qui vit pas. Il ne jeûne pas, qui ne sait pas, je suis quelqu'un de bien. Qui prie aussi, qui fait ses cinq prières. Qui fait ses cinq prières, qui fait face and yeah. Oui, de son vrai nom, Hassan Adamou est membre du groupe Bloc Escrew. Après le départ de son coéquipier vers l'étranger, il décide de voler en solo. Chers auditeurs, c'était Matata de Diawan. Dans le coup des régions, faisons une immersion dans le monde de l'orpaillage dans le, monde de artisanal, direction Agadez, plus précisément sur le site des traitements d'or de Guidandaka. Nous profitons de cette occasion pour adresser nos chaleureuses salutations à toute la population de l'Aïr. Comment se fait le traitement de l'or Réponse avec le président du comité des orpaillards de Guidandaka, Yahya Sidi Amar. Il bargungu interrogé par Muhammad Dantani. ina ne dutsen zinarin ga da ake aiki don daga ake hutowa yaya ne ake hiyar aikin shi har akai ga zinariyar duci dai tun 2014 mutane suka fara amfani da shi sitkin mu ta arlit daga cibarkata ne duci yake zo muna gidan daka in ya zo na farin za a kai shi garaj garaj kin da za a kai shi akwai mashin uku nika ne ake yi mutanen da za su aiki cikin ducin nan ana samun mutum 20 za a kai shi wurin mashin da ake cewa marsa marsa mai kakkare duwatsu in aka kare daga nan za ta taya wurin mashin wadda za ta nike shi in ta nike shi za ta taya wurin da ake wankin shi a hidda zinariya ta farin in aka hidda zinariya ta farin wasu su ma za su sayan ƙasa ana ce mata kashin wanki su ma an suka sai ta za su dauka ta daga nan kote na mashin za su kai ta kote na siyanir an suka tahi can akwai jama'a waɗanda ke amfani da ita. kun yi batun siyanir siyanir na an ba ku izinin amfani da shi. eh siyanir babu wanda adda izinin ya yi aiki da shi sai da izinin minister akwai wurare mutane wanda aka ba izini sun samu authorization sun tsara kansu suna aiki nan su tare da afi na director departmental na min duka wanda wata bukata shi yake zuwa yana kama muna a fuskar wurin da ake aiki akwai matakan da kuka ɗauka na kare jama'a eh wurin saboda securitization ta mutane da dukiyoyinsu dan akwai 'yan matsaloli da muke samu nan gidan daka iko namu lokal muna musu godiya sosai suna a mu har soji an taba kawo mana nan gidan daka mun kai musu kuka muka ce in ba gewaye shi aka aka yi baki na shiga da na hita babu yadda za a yi ayi kontrolin gidan daka to an saurari kukan mu aiki yana nan an fara shi yanzu an kai wata da aka fara shi in Allah ya nan zuwa wata biyu wata uku zai zamantawa gidan daka duk wanda zai shiga da wanda zai hita gwamnati sai sun san ko ne ne sun san abin da ya kawo sun san abin da zai hita ga tsari idan aka samu aka yi shi shin masu shigowa ko masu wuta ko wani tsari da aka yi eh an yi tsari wanda tare da mu aka zo aka zamana aka yi shi na ɗaya bisa sikiriti na biyu an yi tsari na kar se provisoire 5 mil chaque trimestre mois saboda a samu ɗan resource kaɗan kuma harkar sikiriti ya zamanto duk wanda zai shigowa ko etranger ne ko ɗan ƙasa ne kowa muna da hoton shi nan wurin mu kenan ana neman shi da ansa sunan shi ana hiddo hoton shi da komi Vous venez d'écouter le président du comité des orpailleurs de Guidandaka, Yahya Sidi Amar, sur le traitement artisanal de l'or. Il était au micro de Gungu Mohamed Antani. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, il est 11h35. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangou. À présent, sur le rendez-vous Histoire avec notre chroniqueur Adam Sariou. Adam, bonjour. Bonjour Salamatou. Bonjour Abiba. Bonjour Adam. Adam, nous débutons cette page Histoire avec quelques résultats de la de la 13e journée de la Super League du Niger. Eh bien, à cette occasion, hier, trois matchs ont été joués, notamment le choc entre l'AS Fan et l'Union sportive de la gendarmerie nationale. Victoire des forces armées nigériennes sur le score de 2 buts à 0. À l'intérieur du pays, la Koukana FC Dalit a fait un match nul 0 à 0 face à l'espoir FC de Zender. Même score à Maradi entre Jongorzo FC et l'ASGNN. Adam, à présent, quelle est la suite du programme de cette 13e journée Aujourd'hui à 16h, l'AS Police sera opposée au JST, au stade général Séni de Niamey. Même, au, même moment, au stade municipal, il y aura le choc entre Liberté FC et le Sahel Sporting Club. Au cours, du week-end, vous pouvez également suivre quelques rencontres de la Super League le samedi, AS Douane contre Tagour au stade général Séni et l'AS Nigélec contre l'Olympique FC au stade municipal de Niamey. Et en clôture de la 13e journée, le dimanche, il y aura Renaissance contre Zumunta à 16h au stade municipal de Niamey. Adam, pour finir, parlons des affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Les huitièmes de finale débuteront demain samedi avec une première rencontre qui opposera l'Angola à la Namibie à 18h. À 21h, le choc entre le Nigeria et le Cameroun. Dimanche, la Guinée équatoriale contre la Guinée-Conakry à 18h et à 21h, l'Égypte contre la République démocratique du Congo. C'est l'essentiel de l'actualité sportive. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye. bye Merci Adam. Pour les portraits d'aujourd'hui, zoom sur une femme leader, Dr Zara Idrissa Mega. Sa spécialité, la gériatrie. C'est une branche de la médecine qui s'occupe de la santé des personnes âgées. Ils sont seulement trois au Niger et cela ne facilite pas leur tâche. Portrait signé Aminata Boubacar. Âgé de 40 ans, Docteur Idriss Maigzara, médecin généraliste et spécialiste en géontologie et gériatrie à l'hôpital général de référence de Maradi, nous parle de son parcours. J'ai fait mon baccalauréat D en 2006 au lycée Sonia à Libère. Après, j'ai effectué des études euh, médicales à la faculté de médecine de Bamako où j'ai eu le diplôme de docteur en médecine. Puis, euh, j'ai continué mes études euh, pour l'obtention du diplôme de DES de gériatrie à l'UFR des sciences médicales de l'université ufot Boni à Bijan, en Côte d'Ivoire. Donc après ça, j'ai continué en France pour faire le diplôme de DFMS de gériatrie à clermont Et en même temps, en France, je, je, avec un deuil de fragilité et d'évaluation gérontologique au CHU Henri Mandol à Créteil. La gériatrie est une spécialité nouvelle au Niger et qu'elle exerce depuis maintenant 4 ans. Elle explique pourquoi elle a fait le choix de cette spécialité. Mon choix pour la gériatrie euh, remonte à à la troisième année de formation médicale où j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes âgées à l'hôpital, mais il y a une négligence envers euh, ces personnes âgées. Donc euh, quand j'ai fini la médecine, et un de nos maîtres qui était mon directeur de thèse le professeur Eric Adé aussi, m'a parlé de la gériatrie. comme j'étais déjà passionnée, ça m'a vraiment permis d'aller m'inscrire pour faire le 2S de gériatrie. Comme tout travail, il manque jamais de difficultés. Docteur Idriss Maïgzara en rencontre dans son travail quotidien. Cependant, ces dernières n'entravent en rien son dévouement pour sa spécialité. Ici au Niger, euh, c'est vrai que c'est une nécessité innovante. Il n'y a pas d'infrastructure ni de service pour la prise en charge des personnages. Donc euh, c'est surtout ça la grande difficulté. Mon appel euh, face aux personnes âgées, c'est de leur dire d'écouter leur corps et de savoir qu'il existe des gériatres au Niger. On est au nombre de trois à présent. Et de voir un gériatre pour tout changement dans leur corps. On peut ne pas être malade et avoir beaucoup de fragilité. Donc c'est la fragilité qui fait que quand les personnes âgées tombent malades, ils sont différents des adultes. Donc, euh, on peut très bien vieillir en bonne santé avec toutes ses facultés physiques et mentales. Docteur Agali Zibin Reichou, une de ses collègues, ne tarit pas d'éloges sur sa personne et son travail. Docteur Zara Idrissa Meiga est un médecin qui travaille sans relâche qui fait des efforts au quotidien pour le perfectionnement de la prise en charge des personnes âgées et de tous les patients qui la consultent ou qui demandent son avis. Elle aime partager son expérience, elle inspire et elle motive pour aller de l'avant. C'est vraiment pour moi un leader exemplaire qui aime aussi écouter et je la remercie de m'avoir boosté. Je dirais qu'elle m'a boosté parce que j'ai été motivée pour aller passer par exemple des longues années de formation en France dans plusieurs domaines. Notre collaboration avec Dr Zaramega se passe très bien parce qu'elle aime vraiment le travail en équipe. C'est une collègue formidable tout simplement. Malgré tous les aléas, Dr Idriss Maigazara exerce son travail au quotidien. Travail et vie privée, je dirais très difficile. Déjà, étant juste euh, femme médecin, spécialiste sur place dans son foyer est très difficile à joindre les deux bouts. Après, loin de son foyer. On arrive difficilement euh, à joindre les deux bouts. Par la grâce d'Allah, on a des maris qui arrivent à comprendre notre situation. mais c'est très difficile de se concentrer étant loin de son foyer. Concilier vie privée et professionnelle n'est pas chose aisée. Docteur Idriss Zarmeiga arrive tant bien que mal à se consacrer aux deux. Merci Aminata pour ce beau portrait. Chers auditeurs, dernier tour en musique. Habiba, oui. si je t'ai dit qu'on y est passé. <laughs> C'est l'orchestre national, ah, n'est-ce pas Oui, bien sûr, une manière de bien clôturer l'émission. On et on revient. fulani dai gaba, yi muku yaro open zai. tout en espérant que vous avez kiffé ce morceau, la rubrique Loti du jour parle des femmes allaitantes en grossesse. Beaucoup de femmes allaitantes s'inquiètent lorsqu'elles découvrent qu'elles attendent un autre bébé. Dans ces lotis, vous allez découvrir qu'il n'y a aucun danger d'allaiter un enfant en état de grossesse, selon les spécialistes. Écoutons Rekia Arimi et Samira Rouafi. labai diboni nadia jam te musu musu ifo no dune <laughs> nadia gunda no gaiga su bono ai na bai kangai koi kursan biya ngamo wai bare loktara na dahiran ise kan niwo doctor no irkoi se ke ise ifo na igite ai gwanda a tikiri handu iye ise kan ai goga nanan di mata na igite son nan heno nan heni bo ni ma son ce ise ni izo fafa ko nono ni goga no wal mata no <laughs> <laughs> oh fafa ko nuna igo gano ifa senu ne hawo ni su ga aigo ka wadin bo ni him gin lakalo kanan dino jina ni izo kan goni sai dawan kan goka da irkoi ba hay kunno si duwai ba kan sai gunda ta gika nyanga mai him gin ga lakal tunan di kan sai igo na nan di zan kai lokta kai sine kala ba da gunda go wai boga a gin gin iz kai na nowa kala mu kan kwaciya si ba wa koi ne wadin gana wa kan gine kolostrum kan ga ci wa albarkanta am dugu margu hay ta gyo kan go sai. Nadia matano ya dinga tera ayo wato kulne gima igine boy bor gunja koyo da gonda izka gona nandi kul izo dinga tegun dakar ine kan wala lano ya dinga na diya ilko sai ai fa ba koi ne musai san barkasin da lakkal haya kan ma bogai so bai gici sanni yan daino da har yanki banga da ingai bonga da dainin din izo akan goba bani samai nigi hinga no awa matkan ni goga na so amma zakan ni izo a bisan da iddo a himano ni mu da ngase ngwari zu kai ni kai ni yankan sitin ya ci ne amsin tinginwa ni ba gani ai ma ngwaro kai rugogan wa a a ai man ni yadi ne ni him sintina sai da koko koko yan den wal da ya ci ne kan sitin a ai faham wajen wa ai gihin gate hey gwargasin wallahi nin zuman dai bon ai sabu gumo ai ga kwaik da haikan nike isi amma masiba tufa amma wago wasa sadin da da hinai musu musu dai no ya kulig sintin da din yandin izo ne siyan odo ni mazan kai lokta gai ha ya maryam imiye ga faman dinise ngwari wuno ni himgin izo no am dogu beriga hambaniga suba suba da ai ko loktor kwar ne se ngodo ai no ga te bor sintinai nodin loktor kwarara hey gorga sinai sabu ni se ai goga ye ai goga ma ko cha goga he zane wo ai ko beri nya haraka kalsu gutum ai sha sabai zo koi <laughs> ai goga batu daino ai fuko yo maka ai labaru to da dase ai goga bon han bo matka ga sannu sun a asin n'a kunfa. <laughs> Chers auditeurs, il est 11h passé de 51 minutes. Nous sommes avec Alamine Wachar pour la culture linguistique. Alamine Min Edis. Et le mot du jour est éducation en relation avec la journée célébrée ce mercredi, n'est-ce pas Alamine ah, voilà. Chers auditeurs et auditrices, en espérant que vous vous portez bien, bonjour et bienvenue dans votre émission Culture linguistique. Alors, comme tous les 24 janvier, c'est la journée internationale de l'éducation, donc les mots du jour et en éducation. L'éducation est le processus d'enseignement ou d'apprentissage, particulièrement dans une école. Et à l'ère numérique, nous pouvons apprendre depuis la maison sur notre téléphone portable, notre ordinateur ou notre tablette. Prenons un exemple, l'éducation est la transmission de la civilisation. Un second exemple, L'éducation est un bon investissement. Le dernier exemple, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. L'éducation est un puissant facteur de changement. Elle améliore la santé et les moyens de subsistance. Chers auditeurs et auditrices, chaque jour est une vie. Prenez soin de vous et travaillez dans la bonté des choses. On se dit au revoir et à très bientôt. نزل ويتو كزدار ويقلنا سنة مروان دكوزة تلي تنجنفي مو سزل دكا سدين دار قلنا التربية دا وين دا فلا سزل ونزل هذا نشيول دا المعنى التربية التربية سدا دا تموس تموس نمو نص الصغري نويدا مدي نسلمد نويدا دقت مغري إيجز دا غزما وين هذا عادش نيتي دا الزبزم وين الزمان تفراقت تلمدة مدي السنة تاغري دا تهاغي ونك استارت تلفونك استرت نورنا starite التليفون تاع زوج تاع نو تابلت المثال التربية تاعك استرت نزز قرم مصنطية ورتلي يويدا هروانا في لقنا وهنا تدا السنتاس التربية طولا غنات موس دار وقلا ست الدين رزقنا المثال وزنك فويل كمان التربية تنتي التربية ندينا تاتموس داونا دادا أز داون زنا سينما رغاوه Vous êtes nombreux à nous suivre sur les ondes de nos radios partenaires. Écoutons maintenant les messages de quelques auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. na ji bacin mu ina ɗaya da cikin 'yan hula na nan kwanni abinda muka yi mu hata mu ya mata addu'a ubangiji Allah ya ba su sa'a da rabo cikin aikin da suka yi shirye nasu surtout la production rural tare inda suka zuwa cikin karkara suna tambaya ra'ayi mutanen karkara fannin gona fannin kiwo fannin zaman lahiya vraiment in ana samu wannan la production rural ana yin ta to shi na aikin radio bisko akwai wani pastor brazil eh, yake ta radio ya kamata a ce tana kusan talaka kenan tana zakwa tana ana sauraron menene ra'ayin eh, talaka su mi suka bukata mi sun ka samu kuma mi suka so a yi musu saboda a raba su da cikin wannan mugun hali da suke sai sa lorar da larajo kuma bayani a bada shi na tsakani da Allah in ba a ba mutane dama su faɗi ra'ayinsu su faɗi abin da suka tunanin su to kaga akwai kangin da an shi to shi na muka ce ma kalangu gaskiya ya goyon bayan ta ɗari bisa ɗari kuma Allah taimaka su ci gaba fuska ta yaɗu ko ina cikin nishar kenan tsakani da Allah mai son gwamnati kuma tallafi suka bada cikin wannan da a finance da aka au niveau de la radio euh, audiovisuel kin suka bada ya kamata a kara musu saboda in babu communication cikin kasa to gaskiya babu ci gaba aliyo mai rijiya duci studio kalangu mun ga amfanin ta kashi-kashi iri-iri duka saboda kun gani studio kalangu tana shiga cikin ƙasa tana ɗauko labarai na ƙasa masu mahimmanci tana watsa ma mutane suna saurare studio kalangu abu na wakana cikin ƙasar mu nijar za ka ji ta faɗe shi studio kalangu ta ɗauko sashe iri-iri tambayar 'yan ƙanana tambayar latizawa tambayar matasa wuri-wuri suna bi suna tambaya ana karuwa da abubuwa iri-iri saboda haka yabo na musamman zuwa ga studio kalangu muka mun yaba sosai malam aliyu bawa har yanzu dai studio kalangu in ta zo ga wuri ta zo ta iske kowa da kuke zamanan na haka nan take zama Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, fin de cette émission de ce vendredi 26 janvier 2023. Vous étiez avec Abiba Ahmed et Salamotou Kadri. La technique, c'était Lawal Issa et à l'édition, nous avions euh, Rahilatou Soumana et Adam Adonwaki. On s'est dit à 17h pour le journal quotidien en 5 langues et surtout, n'oubliez pas d'écouter l'actu de jeunes samedi et dimanche sur les zones de nos radios partenaires. Vous pouvez aussi réécouter tous nos contenus sur le site web www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Excellent week-end à vous. Bye bye. Il est temps, il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fetna rodna watay. si. Barka di modon e wonta golitane. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.